un appel adressé au Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Ousmane Soko a fait une déclaration très courageuse le 22 juillet 2016 déjà, 2016, 8 ans de cela, maintenant, dans Sénégal. Et il disait, à propos du titre foncier 1915, appelé titre foncier de Bertin, Ousmane Soko a fait une déclaration comme je l'ai dit en 2016, déclaration dans laquelle il disait que l'État du Sénégal avait perdu 38 milliards de francs à propos de la gestion de ce titre foncier 1975. Il est relevé la perte de ressources fiscales, l'enrichissement de particuliers au détriment de la collectivité. Le rapport, rappelle que les villages traditionnels de Bambilor, Dédiguet, Goromde, Meille, Ngembouf Waimba était implanté dans le périmètre du titre foncier 1975, situé dans le département du Rufisque et appartenant aux héritiers du général Chemance Bertin. Sous le prétexte fallacieux de sécuriser les dix villages que l'État du Sénégal a acquis les terres, sous le manteau de l'État. Le motif réel, on le connaît. Son soubassement véritable était un projet planifié d'enrichissement de particuliers. Ça continue jusqu'à présent. Soit sec qui bénéficie d'un bail ici, près du village, est allé faire demander une euh, hypothèque conventionnelle avec la société, euh, la compagnie financière nationale Cofina pour une somme de 65 millions de francs. Voilà ce qu'ils font actuellement on vous donne un bail, vous cherchez une hypothèque conventionnelle, on vous donne de vos millions et vous en allez. Les terres acquises par l'État ont été cédées à des particuliers qui les ont revendues. Et c'est toujours le rapport de la Cour des comptes de l'État qui, parle. Ces terres acquises ont été cédées à des particuliers qui les ont revendues, notamment à la Caisse de dépôt et de consignation et à une coopérative d'habitat dans des conditions qui ignorent toutes les règles de gestion du patrimoine foncier de l'État. Voilà la situation dans laquelle nous vivons. Le village de Veille est un village qui a été complètement quadrillé. Je dirais quadrillé. Toutes les terres ici, vous faites une levée topographique, on dit que ça appartient à tel et à terre. Voilà ce qu'ils ont fait. Un partage foncier. Nous continuons notre lutte. Et les autorités actuelles doivent faire une descente ici. Vraiment à l'instant d'Ambourka, nous demandons un audit exhaustif, vraiment, vivement un audit exhaustif de la commune de Bambilor. Ils sont en train même de, faire des terrassements et à l'intérieur des terres, jusqu'au lac jusqu'au Et vivement que, que les autorités actuelles fassent un effort maintenant pour soulager tout le monde. Parce que là, toute l'économie est à l'arrêt. problème tey yéen journaliste bi ñëw yéen a ko constaté seen bopp depuis plus de cinq ans defe naa ne ngi fiy jaar gis ngeen amul benn changement nguuru Abdoulaye Wade jaar na fi nguuru Macky Sall jaar na fi nguuru Abdou Diouf jaar wu. donc ñun tamit am nañ ay doléances parce que tali bi aussi gis nañ économiquement li fi nga xam ne moom moo fi jaar par jour. donc yaakaar naa loolu tamit ñu ngi ñaan président de la république bi nga xam ne moom mooy nekk Bassirou euh, Diomaye Diakhar Faye mu dimbali ñu ndax a jaar. tey yàlla mooy dafa sutura depuis plus semaine tawul moo tax ndox mi dem donc loolu tamit ñu ngi interpellé le président de la république mu jàppale ci bu baax a baax avec son premier ministre Ousmane Sonko.